fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes euh, du studio kalango bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse euh, de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse des faits saillants et euh, marqué l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse. Au menu de ce numéro du forum de la presse de ce soir, D'abord, euh, l'évolution du règlement du contentieux électoral opposant Mohamed Ousmane à l'État du Niger par rapport à la présidentielle deuxième tour nigérienne du 21 février dernier. L'audience délocalisée ouverte le lundi 25 octobre 2021 à Abidjan a été reportée au 15 novembre prochain. Ensuite, nous parlerons de cette visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU du 23 au 25 octobre au Mali et au Niger. Et enfin, nous parlerons de la participation du Niger à la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, tenu du 16 au 23 octobre 2021 sous le thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. Pour analyser tous ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Maïmoune Gado, elle est journaliste indépendante, Ousmane Sidikou, journaliste indépendant également, et enfin Gary Amadou, journaliste au journal La Nation. Bonsoir et bienvenue, chers confrères. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Une fois de plus, euh, bienvenue dans ce numéro de forum du studio Kalangu que je suis ravi de vous présenter. Avant de commencer, permettez de réitérer nos sincères euh, condoléances euh, à l'ensemble de la presse nigérienne et aux familles éplorées suite euh, au décès de nos deux consoeurs, Fana Biri Kassoum de la Voix du Sahel, ORTN, et de Boulia Adamouide de la radio et télévision Bonferré. Cette triste euh, nouvelle, ou double triste nouvelle, malheureusement est tombée cette euh, semaine. Un mot, chers confrères, pour vos condoléances par rapport à ces deux décès. Voilà, donc euh, Michel, tu l'as si bien dit, c'est vraiment euh, triste. Fanna Biri Kassoum, de la Voix du Sahel, euh, qui a rendu l'âme après un accouchement. Et l'autre, Bouli Adamou Ide, qui était en déplacement à Ouagadougou pour assister donc à une formation, un atelier. Malheureusement, Dieu a fait Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu a pris son âme au niveau donc de Ouagadougou. Et je profite du micro de Kalangou pour euh, présenter euh, mes condoléances euh, à, leur famille biologique, leur famille également professionnelle qui, qui, sont, qui est les médias, mmh. les journalistes que nous sommes, et les l'énorme ou bien euh, l'immensité, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui calculer le mhm. nombre de téléspectateurs, téléspectatrices mhm. qui, les suivent. Donc vraiment, euh, mhm. les condoléances, paix à leurs âmes et que Allah les accueille dans son paradis et Amen. Amen. De nos deux consoeurs euh, qui, qui, sont Bouli et puis Fana. Euh, ce sont des consoeurs qu'on a l'habitude de voir sur les lieux de reportage, on a l'habitude de se croiser. C'est une grosse perte. Mhm. Nous sommes encore sous le choc. Et vraiment, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous présentons nos condoléances à, leur famille mhm. et nous prions pour le repos de leurs âmes. Mais nous venons de perdre quand même euh, deux consoeurs de valeur. Mhm. Merci beaucoup, Ousmane Sidoukou. Michel, et ainsi que Maimouna Egaré, on ne peut que dire euh, Nous venons de perdre deux consoeurs. Rappeler à Dieu. On ne peut que prier pour le repos de leur âme. Puisse Dieu les faire miséricorde et les accueillir dans son paradis éternel. Mhm. À l'ensemble de la presse, nos condoléances, ainsi qu'à leur famille euh, biologique, courage et mhm. patience. Euh, la peine, elle est grande, mais euh, on ne peut que s'en remettre à la volonté de Dieu. et mhm. non que faire nous précéder. C'est un chemin que nous sommes tous appelés à emboîter. Donc, euh, à leur emboîter le pas, euh, je ne veux pas trop m'attarder, mhm. m'apaisantir. Euh, paix à leurs âmes, mhm. courage et patience à nous ainsi qu'à leur famille biologique. Mhm. Ainsi va la vie. Donc, nous souhaitons que l'au-delà leur soit meilleur. Abordons à présent les différents sujets de ce forum de la presse et nous débutons avec cette évolution du contentieux électoral opposant Mohamed Ousmane à l'État du Niger par rapport à la présidentielle deuxième tour du 21 février dernier. L'audience euh, délocalisée de la Cour de justice de la CDAO, ouverte euh, le lundi 25 octobre 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a été reportée au 15 novembre prochain. Quelle analyse par rapport à cette euh, démarche de l'opposition et du candidat Mamoun Souman la démarche de l'opposition par rapport euh, justement aux élections de 2021, mhm. c'est que Mahmoud Ousmane l'a dit, euh, il préfère suivre les voies légales, ça veut dire euh, aller en justice jusqu'à aller au niveau donc de la Cour de la CDAO. Donc, je pense très bien que ça, c'est ça, c'est réfléchi, parce mhm. que en fait, en premier lieu, c'est pas la rue en fait qui va donner le pouvoir à Mahmoud Ousmane, mhm. mais on sait que également, euh, il a de fortes chances, donc, ou bien les chances sont minimes, hmm. en tout cas, que euh, Mme Ousmane aujourd'hui devient président de la République. Hmm. Certainement, je ne suis pas là pour dire euh, une vérité ou c'est pas une vérité, mais je, ce que je sais, hmm. c'est qu'on n'a jamais vu en Afrique ou un président qui a prêté serment, un président où les institutions sont déjà en place. Il y a une cour constitutionnelle. Une cour constitutionnelle qui est déjà opérationnelle. Dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun euh, recours au plan national. Voilà, au plan mhm. national. Et qu'aujourd'hui, qu'on donne raison à Mamou Ousmane pour dire qu'il est le président légitime donc euh, du Niger. Je ne pense pas, peut-être qu'ils veulent tout simplement montrer qu'il y a eu euh, des défaillances mhm. au niveau donc de ces élections, du déroulement de ces élections, peut-être pour qu'à l'avenir, on mhm. puisse corriger pour mhm. qu'il n'y ait plus ce genre euh, de problème mhm. à l'avenir. Moi, c'est ce que je vois, c'est l'analyse que je peux donner. Euh, lui-même, Mamadou Ousmane, il ne se bat pas pour être aujourd'hui, pour qu'on lui restitue la présidence de la République. Mm, c'est ce que vous pensez. C'est ce que moi je pense. Mais il se bat pour que certaines choses, certaines habitudes qui sont ancrées dans les élections euh, du Niger ne se reproduisent plus plus jamais qu'on entende qu'il y ait des élections où il y a eu des fraudes. Ça, je suis certainement sûre parce que j'ai écouté euh, dans euh, une vidéo qui passait sur les réseaux sociaux, mhm. j'ai suivi euh, Maître Lirouani qui parlait. Maître Lirouane Abdraman, qui est justement son avocat. avocat, qui mhm. parlait, qui sensibilisait les gens par rapport justement à ce contentieux et qui expliquait qu'aujourd'hui, ils veulent tout simplement et que l'État du Niger reconnaisse qu'il y a eu des défaillances. Mais bah, à un moment donné, on a écouté, on a entendu la même opposition dire qu'elle ne reconnaissait pas l'actuel président de la République, Mohamed Bazoum, comme euh, président de la République, puisqu'il faut rappeler justement que euh, selon les résultats validés par la Cour constitutionnelle. Mohamed euh, Bazoum avait été élu avec 55,66% des suffrages contre 44,34% pour l'opposant Mohamed Ousmane. Où se trouve l'opposition maintenant mhm. Oui, ceux qui ont décrié, qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Ils ne siègent pas mhm. là-bas. Donc, ça veut dire que si vous siégez déjà à l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous avez accepté, selon moi, mhm. que le président de la République, c'est bien Bazoum Mohamed. C'est ça aussi. Donc, si vous dites que vous ne reconnaissez pas euh, la légitimité du président actuel, mais bon Dieu, pourquoi vous avez accepté d'aller vous asseoir au niveau de l'Assemblée nationale. Pour défendre quoi Quelle est la cause que vous pensez défendre là-bas mais c'est ça. Il fallait, dans ce cas, boycotter l'Assemblée nationale. Dites que vous n'êtes pas d'accord, que la députation que vous avez eue, même, vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est issu de ces élections. Donc, dites, je ne suis pas d'accord que nous allons attendre le délibéré, quel qu'en soit le nombre d'années ou bien le nombre de mois que ça va prendre, nous allons d'abord attendre le délibéré de la CDAO pour pouvoir aller nous asseoir. Merci. Ousmane Sidoukou. En tout cas, au niveau de la coalition qui soutient ou qui a soutenu Mohamed Ousmane, il a été rappelé trois jours avant la date euh, indiquée, euh, c'est-à-dire euh, le 25 octobre, que Mohamed Ousmane avait gagné les élections avec au moins 50,30% des suffrages pour euh, utiliser leur propre expression. Est-ce que vous doutez de la conviction euh, de ces leaders de l'opposition euh, par rapport à ce dossier Merci Michel. vous savez, je me rappelle <laughs> d'un des titres d'une des parutions au moment fort de ces élections, comme quoi Maman Ousmane, pire avocat de Maman Ousmane. Mmh. Parce que euh, la mollesse ou bien l'attitude défaitiste dont il avait fait montre mhm. l'a conduit jusqu'à ce à quoi nous assistons en ce moment. Mhm. Tantôt, il dit faire recours aux voies légales, tantôt c'est le recontage des voix. Bref, il n'avait pas une position bien définie. Mhm. Jusqu'à aujourd'hui, combien de mois après les élections, vouloir, euh, vous l'avez si bien dit, la Cour constitutionnelle a validé les résultats et les décisions de celle-ci ne sont pas susceptibles d'aucun recours. En tout cas, finalement, à quoi, à quoi mm-hmm. t il euh, comme disent les British, and so what mm-hmm. Bon, eux seuls peuvent avoir euh, ou bien expliquer les dessins qu'ils nourrissent, mm-hmm. mais moi je me dis que. Euh, à défaut de dire que le vin est tiré, qu'il le boive lui et ses, amis, honnêtement pas là. Moi, je pense que en ce moment, les défis auxquels le Niger fait face mhm. euh, doivent interpeller tout le monde, euh, toute la classe politique, pour que vraiment nous fassions euh, vraiment chorus affronter ces défis. Moi, je me dis que ce à quoi nous sommes en train d'assister, euh, l'a dit, c'est peut-être pour dire que euh, les élections ne se sont pas déroulées mhm. dans une certaine transparence. On peut leur concéder cela, mais moi, je pense que, euh, jusqu'à preuve du contraire, ce monsieur, c'est un homme qui a une certaine. Euh, admiration, bien une certaine popularité aux yeux des mhm. Nigériens. Ancien président, de, la République, le premier vraiment pondéré, sage, vraiment mhm. les qualificatifs euh, sont assez mm-hmm. pour euh, vraiment décrire l'homme vraiment, moi, j'aurais voulu que nous n'assistions pas à ce à quoi nous sommes en train d'assister. Maïmoun l'a dit, peut-être que la démarche de son conseil pour sensibiliser la diaspora, mais qui leur dit que la diaspora n'est pas au parfum de ce qui s'est passé ou bien de ce qui est en train de se passer en ce moment au pays. Bon, mhm. la CDAO même euh, est au courant. Vos la, <laughs> la CDAO, <laughs> Michel, moi, <laughs> permettez-moi de ne pas me prononcer par rapport à cette cour. Bref, moi, je pense que, euh, honnêtement, par là, euh, ils n'ont pas besoin euh, d'adopter euh, une telle posture. Si c'est réellement pour montrer que les élections ne se sont pas passées comme elles se devaient d'être euh, organisées, il y a plusieurs canaux, il y a plusieurs moyens à travers lesquels ils peuvent passer. Bon, maintenant, si c'est les dessins qu'ils nourrissent, on leur concède cela, mais je pense qu'ils ils auraient pu nous éviter ça pendant la proclamation, bien avant même la proclamation, ils auraient dû vraiment savoir à adopter l'attitude qui était beaucoup attendue. Et souvenance, c'est notamment que des militants ont convergé chez lui pour l'inciter à sortir et même à se prononcer. Donc c'est ça, je dis, euh, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. L'expérience, c'est lui-même qui le dit, et je reprends ces mots, l'expérience étant la somme de nos erreurs, mhm. il n'a qu'à mettre à l'actif de son expérience euh, pour qu'il euh, il ne puisse pas répéter et, bon, les bien les, les, insuffisances mhm. auxquelles, dont il a fait montre. Moi, je me dis qu'on n'a pas besoin de ça. Franchement, Passons à autre chose euh, pour que vraiment le pays, comme je l'ai dit, euh, à euh, d'autres défis. Beaucoup sont ces défis-là, donc vraiment, passons mhm. passons à Gary Amadou, bah. quels sont les enjeux de ce jugement reporté au 15 novembre prochain après la décision de validation de la Cour constitutionnelle au niveau national et puis la prestation de serment du président de la République, l'actuel, c'était le 2 avril. Le président a déjà au moins six mois euh, à la tête euh, de l'État, donc à la magistrature suprême. Les enjeux à ce niveau, c'est quoi Oui, mais les enjeux, je pense que. Euh, en tout cas, c'est pas pour succéder, c'est pas pour que Bazoum descende, pour que Monson monte. Ça, c'est clair et net. Hum. Pourquoi je le dis Je n'ai pas souvenance d'une quelconque décision de la Cour de justice de la CDAO qui a annulé une élection pour dire que celui qui a été battu, finalement, c'est lui qui est vainqueur. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. La CEDAO, tout ce qu'elle peut faire, c'est de communiquer quand il y a des coups d'État ou des trucs comme ça. Tout ce qu'elle sait faire. Mais la CEDAO, elle, elle, n'organise pas des élections. Non. Hmm. Je suis désolé. Mais je suis heureux de constater quand même que, eh, lors en tout cas de la vidéo qu'on a vue circuler sur les réseaux sociaux, je peux dire que le est revenu sur terre. Parce qu'apparemment, il était dans un nuage. Il a mené les pieds sur terre. Il a expliqué que non, il ne s'agit pas de faire en sorte que la CDAO dise que c'est Mamoussoumou qui a gagné, donc Bazoum euh, <laughs> doit plier bagage et puis voilà, mhm. et donner. Non, c'est pas ça. donc, pour moi, c'est faire preuve d'une grande lucidité parce que ce n'est pas la peine de faire croire aux gens. Parce que le militant de base, mhm. les militants de base, qui sont souvent incultes et non instruits, ont l'impression que non, la Cour de justice de la CDAO va permettre à ce que Mamoussoumou puisse monter sur le, sur le fauteuil présidentiel. Mhm. Donc, la vidéo de, de, de, de aussi courte qu'elle soit, elle, a, elle est, en tout cas, elle est assez importante. Elle peut éclairer leur lanterne. Elle peut éclairer cest c'est comme s'il a voulu dire aux gens, il a compris ce qui se passe. Mhm. C'est comme s'il a dit, oh, oh, oh calmez-vous là, hop, hop, hop, hop. Euh, attention, ce que, ce que nous sommes en train de faire, c'est pas pour que celui qui a la descende pour qu'on monte. Non, non, non. Il dit c'est pour l'histoire. Il faut aussi ajouter que le jugement a été reporté à la demande justement de la défense, donc euh, de maître Lerouana Abdourahman <laughs> euh, pour fournir euh, d'autres pièces. à ce niveau. S'il y a quelqu'un qui est gêné, c'est la Cour de justice de la CDAO. <laughs> Parce qu'on lui amène, il n'y a pas de jurisprudence, on lui amène un dossier électoral, on veut qu'elle se prononce. Je suis sûr que quand il a dit quand tu as demandé le report, les juges de la Cour ont dit ouf. Ah, ils ont dit ouf, parce que ce dossier-là, c'est un dossier encombrant pour la CDAO. Elle n'a pas l'habitude de se prononcer sur les trucs électoraux. Mhm. Maintenant, il eh, ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'enjeu. Parce que si la Cour de justice de la CDAO, ce dont je mhm. se prononce sur les élections et qu'elle dise que non, eh, selon ce qu'elle a constaté, si même Ousmane qui a gagné les élections. Vous savez ce que ça peut susciter comme euh, conséquence au Niger Sur le plan social, sur le plan de tout, tout, tout. Mhm. Vous savez ce que cela peut susciter Comme les gens vont se targuer de cette décision de la CIDA aussi, elle le prononce, pour démontrer à tout bout de champ. La, décision dira dans tous les cas, si c'est le cas, ce qu'il y a lieu de faire. Non, je vais vous dire, mhm. la Cour va se déclarer incompétente. Il ne faut pas rêver. La Cour n'est pas, n'est pas habilitée à se prononcer sur les, les élections, non. Mhm. mais, mais eux, ils savent que ils sont intelligents. Le sont, n'est pas bête. Et c'est ce qu'il fait. Les gens ont l'impression que le ah oui, oui, il est un peu olé, olé. Non. Il y a des enjeux. Merci. Si la oh. Cour. Mhm. attends, s'il te plaît. Il y a des enjeux. Il faut que les gens le comprennent. Parce que si la Cour dit que Momo a gagné, Dieu seul sait ce qui peut arriver au Niger. J'ai dit bien Dieu seul sait. C'est pourquoi je sais que les, juges de la Cour de CDAO, comme ce sont des gens lucides, <laughs> bon, <laughs> ils savent très bien ce qu'ils vont dire. Mais le 15 novembre, on verra. Voilà. <laughs> voilà, donc le jugement est prévu pour le 15 novembre. Il faut rappeler qu'en matière d'élection, on demande quand même aux leaders politiques d'emprunter les voies légal de recours. Et donc, ça veut dire que c'est un droit. et aussi, c'est à saluer. Et donc, on peut ne pas détenir euh, certains éléments par rapport au pourquoi de cette euh, démarche. donc, euh, il faut juste rappeler que c'est donc une affaire qui est pendante devant donc cette cour. donc, les jours à venir, nous édifierons davantage par rapport à ce dossier. Merci pour vos différents avis. Euh, parlons à présent de cette visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU du 23 au 25 octobre au Mali et au Niger. Au Niger, la délégation s'est notamment rendue au niveau de la base aérienne de Niamey, au carré des Martyrs, où se trouve le cimetière dédié aux soldats tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le banditisme armé pour se recueillir sur leur tombe. Cette euh, délégation s'est aussi rendue à la base euh, conjointe euh, mixte du G5 Sahel et a eu à rencontrer les plus hautes autorités de notre pays. Mais Mounegado, y a-t-il eu des décisions prises par rapport à cette visite Bon, des décisions prises par rapport à cette visite. D'abord, il faut noter que cette délégation euh, qui a fait le Mali et le Niger. Mmh. C'est pour prendre le pôle donc euh, le pôle donc euh, de la situation sécuritaire mmh. dans ces deux pays et, également voir ce qu'ils peuvent ce, que cette délégation ou bien l'ONU peut amener. Mmh. en termes de soutien donc à l'armée nigérienne, l'armée malienne et pourquoi pas même l'armée burkinabé. C'est vraiment euh, sur les questions de sécurité qui les a amenés. Mmh. Et je pense bien qu'il y a eu des conclusions au sortir donc euh, de cette rencontre avec euh, le président de la République, euh, où il était question donc de renforcer les capacités donc la formation donc des mhm. militaires qui sont sur le front, amener un appui donc technique et, et surtout logistique mhm. à l'armée pour que l'armée puisse vraiment se battre comme il faut mhm. face à ces djihadistes. Et donc, je pense que vraiment, c'était vraiment la question sécuritaire qui était au centre donc, euh, de cette rencontre avec le président. Oui, Garamodo, est-ce qu'il y a d'autres objectifs visés à travers euh, cette visite euh, de la délégation de ce Conseil de sécurité de l'ONU qui a visité deux pays sahéliens, le Niger, mais bien avant le Mali oui, euh, euh, c'est vrai que cette visite avait quand même un caractère assez important sur le plan sécuritaire. Mmh. Bon, euh, ce qui m'a quand même étonné, c'est le fait qu'il ne soit pas parti au Burkina. Mmh. Ça, ça m'a beaucoup étonné que ce seulement les deux pays qui ont été, euh, euh, en tout cas, euh, voilà, qui ont été en tout cas ciblés pour, ces visites-là. Peut-être qu'il y a la question des réfugiés entre les deux pays. C'est sûr que ce sujet a été débattu, mais pour le Niger, l'importance de cette mission n'était plus à démontrer parce que le Niger a, depuis longtemps, en tout cas depuis sous Issoufou Mahamadou, fait le plaidoyer pour que la force du G5 Sahel soit mise sous chapitre 7. Je crois que lorsqu'ils sont venus, hmm. le président Bazoum a réitéré cela, la nécessité que les Nations Unies puissent en tout cas mettre la force du G5 Sahel sous chapitre 7, ce qui serait synonyme hmm. de beaucoup de financement, en tout cas, et de beaucoup plus de vigueur pour cette force-là, qui veut vraiment éradiquer le, le, terrorisme au Sahel. Hmm. Donc, c'est une visite, pour moi, qui vise à essayer, comme l'a dit Memouna, de prendre le pouls, de prendre la température. Et je crois que cette mission-là va faire un rapport qu'elle va donner au niveau du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que prendre la vie. Et je, je pense qu'ils ont compris aussi que euh, les autorités nigériennes ont été toujours impliquées dans les dossiers sous-régionaux. Mhm. Ça a commencé sous Issouf Mahmoud, ça continue avec le président Bazoum Mohamed. S'impliquer parce que c'est un destin commun entre tous les États. Il ne faut pas que les États soient frustrés le fait que parfois euh, le président d'un tel pays parle sur la situation. Nos destins sont communs, nos pays sont liés par l'histoire et encore, malheureusement encore, sont liés par ce terrorisme-là qui est en train de frapper tout, en tout cas toutes nos, toutes nos contrées, en tout cas mhm. dans tous les, les, les, les cinq pays. Donc, je pense que euh, le, Conseil de sécurité, qui est dirigé pour un mois par le, Kenya, mhm. est, conscient que le Niger est un pays extrêmement important dans la gestion de plusieurs dossiers. Non seulement le dossier de la lutte contre le terrorisme, le dossier de la gestion des réfugiés, n'est-ce pas, et les dossiers climatiques. Mhm. dont le président eh, eh, Bazoum dirige quand même euh, un, truc de, comment on appelle, eh, ben, il, est un pont focal, je crois, Afrique de l'Ouest concernant le, les changements climatiques. je, n'ai pas l'appellation mhm. exacte en tête, mais le Niger aujourd'hui est un pays vraiment euh, pivot dans la gestion donc, de ces questions-là, en plus de la question de la migration. Donc je pense que c'était une visite extrêmement importante, mais pas, ils n'étaient pas venus ici pour prendre une décision. Ils étaient venus pour écouter tout le monde. Je crois que dans un premier temps, il était même prévu dans leur programme d'écouter la société civile, d'écouter ceci, ceci, de faire un, rapport condensé qui va être présenté maintenant au niveau de la hiérarchie et sur la base duquel peut-être que le Conseil de sécurité de l'ONU peut prendre des décisions beaucoup plus hardies dans ces domaines-là. Ousmane Sidoukou, il faut rappeler que euh, au Mali, cette délégation a eu à rencontrer les autorités maliennes et plaider notamment pour le retour d'un pouvoir euh, civil. Ces souhaits exprimés par le Conseil de sécurité de l'ONU, comment sont-ils accueillis par la population et les autorités euh, Michel, euh, le fait euh, qu'il se soit prononcé euh, sur la transition malienne, ça veut mhm. dire que ce que les autorités maliennes sont en train de faire en ce moment, elles sont sur la bonne voie. La preuve, ils les ont exhortés à vraiment organiser des élections pour un passage à, témoin, mhm. c'est-à-dire un retour à l'ordre constitutionnel normal. Mhm. Pour revenir à cette visite de cette délégation, opportune, elle est la visite, sauf qu'elle reste pour moi un goût de Mhm. Mais de Maïmouna Egaré en ont parlé. Nous sommes dans, au regard de ce qui se passe dans la zone des trois frontières. Mhm. Euh, qu'ils aient visité le Mali, le Niger et que pour des raisons peut-être qui leur sont propres, le Burkina, a été occulté. Mhm. Mais qu'à cela ne tienne, euh, certainement ils sont venus, ils ont écouté et on ne peut que attendre euh, les conclusions ou bien les décisions qui en seraient issues dans la mise en œuvre de ce qui pourrait être mené. Quelle décision, par euh, exemple, le Conseil de sécurité Aujourd'hui, si aujourd'hui le hum. Conseil de sécurité arrive à mettre la main à la poche, il va sans dire que euh, le renforcement des capacités de nos FDS va hum. se trouver amélioré, la dotation en matériel, bref, beaucoup de choses euh, hum vraiment à défaut d'éradiquer cette lutte contre le terrorisme, ça pourrait booster vraiment la lutte et on ne peut que espérer que euh, la chose se matérialise au regard de ce que nous avions subi ces mm. derniers jours-là au Niger, euh, rien qu'à la frontière de Petelkoli, à Tilaberi. C'est dire que, euh, vu l'embrasement sur le plan sécuritaire, on ne peut qu'espérer que mm. cette délégation de haut niveau puisse rendre compte à qui de droit et que cela ne tarde pas pour que, effectivement, nous constations dans la mise en œuvre qu'effectivement, il y a eu du répondant et que cette crise sécuritaire-là pourrait être même d'être jugulée au grand bonheur des communautés. Que la visite soit donc euh, fructueuse euh, et bénéfique <laughs> bénéfique aussi. Merci beaucoup. Parlons à présent de la participation du Niger à la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, tenu du 16 au 23 octobre 2021 sous le thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. La réalisatrice euh, nigérienne Aisha Maki a eu trois prix. Il s'agit du prix de la meilleure réalisatrice de l'Afrique de l'Ouest, du prix de la femme ambassadrice de la paix et la mention spéciale du Conseil de l'Entente regroupant les pays de l'Afrique occidentale. Maïmoun Gado, est-ce une surprise pour le Niger? Euh, je dirais que euh, moi, je ne dirais pas que c'est une surprise, mhm. mais je dirais plutôt que le Niger, à travers euh, Aïcha Maki, mhm. a bien travaillé pour en arriver, pour, pour, euh, mériter mhm. donc ces, ces trophées. Je me dis que. Le film présenté, il faut le rappeler, euh, c'était Zander. C'était Un film qui traite euh, des problèmes euh, qu'on voit des, jeunes, des sans emploi, des gangs, le, banditisme, le banditisme et tout. On peut Donc, dire. Elle-même, elle, elle, a bravé certaines certaines choses pour pouvoir arriver à là. Elle a été courageuse. Elle a oui, mhm. elle a dit qu'elle a fait huit ans de tournage pour mhm. Mhm. pouvoir arriver à, voir ce film-là. Donc, j'ai vu, parce que ce film, elle a, été invitée dans d'autres pays francophones et pour, aller... Euh, euh, faire euh, pour aller montrer donc ce film et ce film dès là-bas même ce film a été un succès un succès aux yeux de ceux qui l'ont suivi. Donc je pense que vraiment, elle a mérité et à mhm. travers elle, c'est le Niger aujourd'hui. Et je me dis que c'est la jeunesse qui se réveille mhm. parce que là, les, vieux comme nos papas, nos tontons, les Djingara et Maïga et ceux qui. et autres. Qui avaient beaucoup oh, fait pour le oh, cinéma. Oh, aujourd'hui, mhm. oui, aujourd'hui, ceux qui sont vivants peuvent être fiers de cette génération parce que la relève est là. Elle montre déjà que elle elle est là en tout cas pour se battre, pour montrer une différence, une continuité de ce que le cinéma nigérien pouvait avoir depuis. Il faut rappeler qu'elle a d'autres films qui avaient été primés, plusieurs d'ailleurs. On se rappelle aussi de L'arbre sans fruit qui traite des euh, femmes stériles, Donc c'est des tabous en fait qu'aujourd'hui elle arrive à faire comprendre mhm. à la société mhm. que ce n'est plus un tabou. Le fait que la femme ne peut pas avoir d'enfants, c'est pas c'est pas un tabou. Donc il faut mhm. briser ces tabous là. Et vraiment, euh, je, je l'admire pour sa passion, je l'admire pour le choix de ses sujets de ces films. Euh, je l'admire parce que aujourd'hui, c'est une jeunesse, elle est jeune, mhm. elle est dynamique, elle se bat et elle sait pour quelle cause elle se bat aujourd'hui. Donc, félicitations à elle, autour d'elle et derrière elle aussi, tous, tous ces jeunes aussi euh, mm-hmm. n'ont pas démérité. Nous savons qu'il y a d'autres femmes comme les Wera et certaines de ces femmes-là, Amina, et mm-hmm. les autres aussi, qui, n'ont pas démérité. Mm-hmm. Elles se battent et je suis sûre que le FESPACO de ces euh, dernières années qui vont venir euh, parleront justement du Niger. Et nous souhaitons, nous souhaitons qu'elles continuent dans la bonne voie et ensuite que peut-être les talents de Yenega reviendra au Niger. Merci beaucoup. Garé Gary Amadou, quelle est l'importance euh, de cette participation du Niger à cette 27e édition du FESPACO Non, cette participation était extrêmement importante parce que cela faisait longtemps que le Niger n'a pas eu un prix, en tout cas à ce festival-là dont le Niger était l'un des fondateurs. Je crois mm. que le premier étalon de Niger, c'était Oumar Ganda qui l'avait eu. Aujourd'hui, euh, la génération de Oumar Ganda, de Mustafa Alassane, de Djingare Mega, mm. de Mustafa Diop, cette génération-là, certainement, doit être fière de la relève qui est en train d'être faite par ces jeunes réalisateurs. Il y a Aïcha Maki, il y a Sani il y a d'autres, il y a mhm. Moussa Djingare. Il y en a beaucoup qui sont en train de se battre pour faire des productions cinématographiques. Pour le moment, c'est vraiment euh, dans le domaine du documentaire ou des mhm. docufictions que les Nigériens sont en train de... Ce qui manque, c'est vraiment un film de fiction mhm. autour d'une histoire avec des acteurs principaux qui ont des rôles, avec des dialogues. épisodes. Non, bon, je ne parle pas des séries, mhm. mais, mais, un film long métrage d'une heure trente minutes, mhm. vraiment qui traite d'un sujet bien particulier et avec des acteurs qui ont des, des, des, des, des répliques à faire, vous comprenez Pas le style documentaire, non. Le style documentaire, est, pour le moment, c'est lui qui permet au Niger de briller. Aïcha Maki, il faut le dire, avant ce prix-là, elle a eu des dizaines de prix. Pratiquement à chaque festival, quand elle part, elle a un prix. Mhm. Elle est en train magasin, et puis Je ne sais même pas si sa chambre peut, prendre tous ces, prix-là. Elle connaît bien ces problèmes de société, puisqu'elle est également voilà. sociologue Donc, de formation. Maintenant, c'est les films. vous euh, savez, de poursuivre ce ses études dans le ce domaine nous du faut, cinéma. Oui, ce qu'il nous faut, mhm. c'est des films genre euh, Kabaskabo, euh, Le médecin de Gafiré, mhm. de Mustapha Diop, ou les films de Mustapha Hassan FVA, des films de fiction qui traitent, mm sujet. ou les films de Djingare Mega, Nuage Noir et les autres, Noir, Noir, noir mhm. voilà, ouais, Noir et tout. Donc c'est Miroir Noir, c'est-à-dire des films qui traitent d'un sujet et avec des acteurs principaux, des acteurs secondaires, et vraiment une sorte de narration qui, qui suit un fil et qui a un épilogue où il y a un message. Mhm. C'est ça qui nous manque pour le moment. Parce que depuis, par exemple, moi, pour moi, là, depuis que. Bon, Jingare Mega est en train de faire des films, il continue, il se bat, continue malgré son âge de faire des films, mais. en tout cas, depuis le médecin de Gafiré, qui est un mhm. film de, haute facture, de facture internationale, depuis le médecin, et puis Mami Wata, qui a été fait aussi par Moutafa Diop, mhm. ces deux films, depuis ces deux films-là, je n'ai pas senti qu'il y a un désir pour la, en tout cas la génération de, nos cinéastes d'aller vers la fiction. J'ai l'impression qu'on se dirige de plus plus vers le cinéma documentaire, mhm. les, les etc., etc. C'est de la même veine, c'est vraiment du documentaire. Le film Zender, là, c'est une immersion mhm. dans le phénomène des palais dont on parle à Zender, c'est-à-dire que c'est des endroits, pratiquement de non-droits, où des gens font la loi. Et je lui tire mon chapeau d'avoir réussi à avoir la confiance de ces gens-là jusqu'à venir les filmer à visage découvert. Et donc ça, c'est une prouesse. Et vraiment, c'est un film, euh, euh, en tout cas, que, que, j'invite les gens à regarder. Mais je sais que... Qu'il y a le film euh, du directeur général actuel du Centre national de cinéma. qui, est aussi quelqu'un. C'est un grand film. C'est un grand film. C'est quelqu'un mhm. d'extrêmement talentueux aussi, mhm. vraiment qui se bat aussi, qui a fait beaucoup d'œuvres qui ont été primées à l'extérieur. Mhm. Et donc, c'est toute cette génération-là qui est en train de se battre, mais que en tout cas que j'appelle à se tourner vers le cinéma fiction avec des histoires, même si c'est des histoires vraies qui sont déroulées, mais vraiment avec une narration, mhm. avec les dialogues entre acteurs et tout, tout, tout, des acteurs qui ont des rôles. Ça, ça manque au Niger pour le moment. Est-ce que d'autres euh, réalisateurs ne peuvent pas s'intéresser à cela, puisque eux, on a l'impression qu'ils s'attachent euh, beaucoup plus au film documentaire qui s'apaisantit, lui, sur euh, la réalité, alors que la fiction, c'est de l'imaginaire. Euh, oui, le problème, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est mm. le financement du cinéma. Mm-hmm. C'est ça le problème, parce que eh, il est plus facile de faire un film documentaire que de filmer une problématique oui, importante. Le problème, le problème c'est que mm-hmm. si, tu veux faire un film de fiction avec les acteurs, il ça devient les difficile, il faut les payer. La mm-hmm. plupart des gens qui travaillent avec Méga, c'est des passionnés de cinéma. Mhm. C'est des gens qui veulent juste tourner Il y a les répétitions, les voix, souvent, il faut faire 12 répétitions mais, et puis, avant de faire un premier tournage. Et puis, c'est tout un scénario. Mais, attends, mais c'est tout un scénario qu'on te donne et puis on te donne tes mhm. répliques. Tu mhm. dois pouvoir les bûcher. Il y a des répétitions avant même qu'on commence à, filmer, à, faire les premières prises. Mais il faut déjà que tu maîtrises ton texte. Et, ça, ça demande un certain talent. C'est-à-dire que on constate bien à l'écran quelqu'un qui est amateur et quelqu'un qui est un acteur bien sûr bien mhm. euh, chevronné ou qui est rodé dans l'affaire du cinéma. Donc il nous faut vraiment des films de fiction. Ça nous manque. Djingre Mega est en train de faire des efforts pratiquement chaque deux ans, il sort un film. Vraiment, je lui tire mon chapeau, mais on a besoin de films de fiction, euh, en tout cas euh, de grande qualité, de la stature. Donc j'ai dit de, euh, du médecin de Gafiré, de Mami Wata, de mm FVA, etc., etc. Vraiment, on a besoin de ce genre de films-là. Merci, Gaga Modou, Ousmane Sidoukou, comment réussir à rehausser l'image du cinéma nigérien quand on va à l'extérieur on a l'impression justement qu'on a peu de films euh, nigériens que euh, les télévisions internationales euh, servent notamment si on regarde par exemple les grandes chaînes où on diffuse ces séries de plus en plus, on a l'impression justement qu'il n'y a plus de films de fiction venant de compatriotes nigériens. Merci Michel. Permettez-moi de réitérer mes vives félicitations mhm. à Aïcha. Euh, à travers ces distinctions, c'est le 7e art nigérien qui se trouve honoré. Mhm. C'est le pays tout entier qui est honoré. La preuve, elle a été reçue, je pense, euh, par euh, le président de la République. Il y a quelques jours. Il y a quelques jours mhm. de cela, elle était partie lui présenter ses différents prix. J'aurais voulu que Garé commence par la question du financement <laughs> mhm. de, de, ce septième art. Aujourd'hui, franchement, euh, la léthargie dans laquelle semble végéter ce système art est due à un sérieux problème de financement. Donc, mm. Je pense que euh, cette distinction de Aïcha pourrait euh, interpeller ou bien inciter les mhm. autorités vraiment à mettre la main dans la poche pour investir davantage. Les jeunes talents, ils sont là, ils ne manquent pas. D'autant euh, plus qu'on constate qu'à travers le cinéma, on peut transmettre beaucoup, de messages, beaucoup, de messages, on peut valablement contre les mots qui la société, améliorer la scolarisation, renforcer la sécurité. On peut parler de beaucoup de choses à travers le cinéma Donc, occasion vraiment mhm. pour les autorités en charge de ce thème-là, vraiment de revoir euh, la politique euh, mhm. de financement de ce thème art-là euh, pour que effectivement le pays puisse être assez représentatif. Avant cela, je pense que pour que le cinéma décolle véritablement, mhm. nous avons tous une partition à jouer. Nous, par exemple, les hommes de médias. Aujourd'hui, il est rare de voir dans nos différents médias, que ça mhm. soit, les journaux ne sont pas excusés. Hein. Euh, parler, par exemple, je parle plus précisément des médias, la projection des films. On en a tellement de films, mhm. mais euh, à un moment donné, il y avait une télévision privée de la place qui commençait à diffuser. Après, bon, elle ça s'est arrêté. J'ai demandé, mhm. il paraît que c'est un processus qui est lourd. Imaginez, pour faire la promotion de nos propres films où on alourdit le processus, moi je pense que en tant, que, que média. Euh, tout ça qu'il faut prendre en compte. les médias, souvent, ils n'ont pas ils disent, euh, disons qu'ils n'ont pas suffisamment de revenus pour payer les droits d'auteur. En tout cas, il y a bon, moi je pense de il y, a des, y a des concessions à faire de part et d'autre, de la mhm. part de ces cinéastes-là, pour qu'ils comprennent que euh, à travers la projection, c'est vraiment leur visibilité qui est en train d'être créée. Euh, il faudrait que des un contrat, vraiment mhm. en bonne et due forme, mais, mais qu'ils se mettent à l'esprit que euh, on est en train d'œuvrer pour que euh, le métier, leur métier, qu'ils vivent véritablement de leur mhm. métier. Aujourd'hui, euh, le fait que Aïcha, soit distinguée, c'est une très bonne chose. Moi, je suis sûr qu'elle elle va tirer vers, vers le haut plusieurs mhm. acteurs. Qui elle formé déjà beaucoup de Elle jeunes. a formé et on la salue au passage. Elle cesse de, mhm. vraiment, elle, du mieux qu'elle peut, elle, à travers ses différentes participations sur le plan international, du mieux qu'elle peut, elle est en train d'aider, de voir comment propulser ou bien amener ces jeunes talents pour pour, qu'ils émergent. Mhm. Donc je dis au passage, et j'insiste là-dessus, vraiment, euh, euh, nous prions que ces autorités-là pensent euh, de facto à, la question du financement de ce système art-là pour que ce cinéma-là puisse, je ne dirais pas qu'il renaisse de ses cendres, mais vraiment mhm. qu'il soit vraiment à la, hauteur, ou bien sur, à l'échelle internationale pour qu'il soit assez représentatif. Merci. Ousmane Sidoukou. Oui, aimerait dire un mot. Il a parlé du problème de ces réalisateurs qui, souvent, il faut le reconnaître, hein, n'ont pas suffi de moyens et parfois ils, sont obligés de mettre de l'ordre. Que peut faire l'État face la formation aussi, la, preuve, c'est que le manque de moyens fait que euh, tu fais des films où dès qu'on regarde, on sent bien qu'il y, y, a des défauts. Mhm. Parce que tu n'as pas les moyens. tu n'as pas les moyens pour payer un directeur de la photo. Un directeur de la photo. Tu n'as pas les moyens, en tout cas, pour payer euh, je ne sais pas moi, quelqu'un qui va euh, bien gérer le son, on a mhm. des problèmes au niveau. Donc, la gestion de la lumière pour le docteur de la photo, tu n'en as pas. Mhm. Et ce qui veut, tu vas avoir des plans qui n'ont pas les mêmes, les mêmes, les mêmes, en tout cas. on a des problèmes de son, le bruitage, tout ça, Je vais vous expliquer. Mhm. Le problème qu'on a, c'est le problème de financement. Il y a des projets qui sont là, qui sont en train, de, en tout cas, de dormir dans des tiroirs. Il y a des Nigériens. Moi, j'ai discuté avec des, finances Nigériens qui avaient des projets. Par exemple, il y avait des projets pour, euh, sur Skousen, qui n'a pas pu se faire. Fatou Bidjani, mm long métrage qui n'a pas pu se faire. On a parlé à un moment d'une série qui devait être faite par la jeune Sina Samira. Mhm. Je ne sais pas où en est le projet. Mais euh, le Niger, on a tellement un problème de financement que c'était un Mauritanien qui est venu faire Saraounia. Mm Medondo, le Mauritanien, c'est lui qui a fait Saraounia. Mhm. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Aujourd'hui, pourquoi, euh, euh, euh, comment on appelle ça, Mohamed Saleh Haroun au Tchad, mhm. pourquoi Abdurrahman Sissako, pourquoi tous ces gens-là arrivent à faire des films parce qu'Abraham Sissako a fait un, film merveilleux qu'on appelle Timbuktu mhm. sur le djihadisme, l'arrivée des djihadistes à Gao, etc., etc. Fantastique. C'est un film de classe mondiale. C'est parce qu'ils ont été soutenus. Oui, mais alors c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est le cri de cœur de Sani et consorts de mhm. faire en sorte que le cinéma soit soutenu pour qu'on puisse avoir des œuvres de fiction de qualité qui peuvent aller à Ouagadougou, mais pas Ouagadougou seulement, au Festival de Cannes, mhm. à Venise, etc. sûr que le mhm. Voilà, ça c'est des festivals de grand standing. Vrai, en Europe, il y a souvent des projections de films africains. Mais, aujourd'hui, c'est même sur les chaînes euh, occidentales, on suit beaucoup parfois des films africains. Mais aujourd'hui, c'est seulement ceux, que j'ai mhm. cités là mais peuvent aller à ces festivals-là. Un mot par rapport à ce sujet euh, pour terminer non, Pour terminer, euh, déjà, ils, ont tout dit. Mhm. C'est le financement qui pose problème. Et aujourd'hui, de par le financement également, c'est que le Nigérien ne consomme pas sa culture. Mhm. Ça veut dire qu'il il y a des télés quand je les regarde. Il y a des films qui sont très bien prisés. Je, connais par exemple les films en langue nationale où vous allez voir en tout cas euh, dès que ça passe, les gens suivent ça. Quand, je regarde, quand je regarde, <laughs> quand je regarde, quand je regarde, on met ça toujours dans le, même lot. Oui. Quand je quand je regarde, et je vois qu'il y a des télés qui passent tout leur temps en train de, projeter des films d'un délit des films, alors mhm. que nous avons des films nigériens qui mhm. peuvent être projetés. Donc ça veut, dire, ça veut dire tout simplement mhm. qu'il faut avoir peut-être un contrat solide, mhm. un contrat 50-50, ça veut dire que euh, la télévision pourra avoir 50% et le réalisateur, celui qui a le film, 50%. Mhm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne négocie pas dans le sens de payer énormément d'argent à celui qui vend son film. Ça veut dire tout simplement que eux aussi ils doivent comprendre que les télés n'ont pas assez de financement, de moyens pour les soutenir. Mais le peu qu'ils peuvent les soutenir, c'est vraiment de faire passer les films pour que les Nigériens puissent comprendre, puissent euh, observer, puissent voir certains films qu'ils n'auront pas l'occasion de voir si ça reste dans les tiroirs. Merci beaucoup. C'est ça le problème. Un dernier point que nous allons aborder très rapidement pour clore euh, ce hum. forum de la presse euh, d'aujourd'hui et c'est pour parler du football euh, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football Maroc 2022. Les Gazelles du Niger ont été battues le lundi 25 octobre dernier à Abidjan en match retour sur euh, score de 11 buts à 0 par les éléphantes de la <laughs> Côte d'Ivoire. Pour rappel, au match aller joué à Niamey, les éléphants euh, de Côte d'Ivoire ont battu les gazelles du Niger par 9 buts à 0. C'était le 20 octobre dernier. <laughs> Un mot par rapport à ce score euh, ou différentes euh, défaites rapidement. Je, ne suis pas trop. Ousmane <laughs> Quelques mots pour encourager ou. Bon, vous savez, comme disent les Hausa, quoi. Mhm. mais quand même, franchement, ça remet sur la table vraiment euh, la question euh, mhm. aujourd'hui, euh, ça c'est le côté féminin. Mhm. Est-ce que avez-vous souvenance qu'au Niger qu'on connaît, je pense sur le contrôle de gare, est-ce qu'on a eu organisé un championnat féminin mhm. Pas encore. Pas encore. C'est-à-dire, à, part, part l'absence même du championnat féminin, c'est-à-dire le choix de ces joueuses-là, il faudrait, c'est-à-dire, c'est du copier-coller de ce qui se passe chez les hommes. C'est-à-dire, c'est le copinage, Michel. C'est-à-dire, le sport-là, mettons les sentiments de côté c'est que sent euh, de la passion, mais arrêtons de faire le copinage merci dans la beaucoup. sélection. Gary Amadou, il a parlé euh, justement de, des différentes manières euh, de recruter qui ne sont pas catholiques, comme disent certains. à votre niveau, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire mm. On a constaté également que récemment, le MENA, l'équipe du MENA, le 11 national, les prestations étaient piètres selon beaucoup mm. d'observateurs et de supporters. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour faire brioler Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour faire briller donc euh, nos équipes nationales en matière de football, qu'elles soient féminines ou masculines. Pour faire briller, pour faire bien nos équipes, il faut mm. mettre du sérieux dans le travail. C'est ce mm. que euh, c'est à dire on ne peut pas faire du football un amusement mm. et puis pouvoir amener des équipes dites nationales à l'extérieur pour se faire humilier, encaisser 20 buts en deux matchs. Mais c'est pas sérieux. C'est ce qu'il a dit. Mais on n'a même pas de championnat de féminin. Ce sérieux, ça peut venir comment Oui, mais ça peut, mais ça peut venir d'abord. En quoi faisant C'est très simple. Il faut mhm. faire la promotion du football féminin dans les quartiers. Vous mhm. connaissez les football de femmes mhm. dans les quartiers Il n'y en a pas. Déjà, ça commence par là-bas. Faire la promotion du football féminin dans le quartier, créer le club de quartier. Ensuite, petit à petit, on fait un championnat. Mais on ne va pas tout juste parce que ce n'est pas un défilé de mode hein, pour partir à mm. un championnat, africain. Et euh, pour l'équipe nationale, le ménage pour l'équipe nationale, on, a, déjà, on les a déjà, euh, euh, en tout cas, on les déjà, en tout cas, suffisamment matraqués. Mm. Mais c'est ce que j'ai dit. Et il y a du Est-ce qu'il n'y a pas un peu le même problème à ce niveau également C'est-à-dire la manière de choisir les joueurs Non, la manière de choisir les joueurs, elle est là. Mm-hmm. Mais la circonstance en attendant, c'est qu'il y a un championnat. Mais on ne respecte pas ce championnat. Mhm. Parce que quand on me dit que le meilleur buteur du championnat n'est pas de l'équipe nationale, ça veut dire qu'on ne respecte pas le championnat. Mhm. Et donc, c'est ce que j'avais dit. Donc, il faut mettre du sérieux, il faut s'appliquer. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas faire du sentimentalisme. J'ai l'impression que si j'ai quelqu'un au niveau de la Fenifoot et que je joue dans un club, je peux espérer tel l'équipe nationale. Ils peuvent le plaidoyer. C'est l'impression que Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum de la presse du studio Kalangou. Nous disons merci à nos invités, Maïmoun Diado, journaliste indépendante, Ousmane Sidikou Doumbia, journaliste indépendant et Garé Amadou, journaliste euh, au journal La Nation, à la régie pour le son. C'était Mustapha Yuba et à la réalisation vidéo Issa Bon week-end à toutes et à tous et au revoir.